Coach, je crois que vous avez livré un match héroïque hein, aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si lan suis motivé. Bon, est-ce que c'est dû à ce que l'équipe de dafa ci ou bien équipe de Foucault a sa place ah, tout d'abord je voudrais ah, remercier encore Je seen que euh, bi tout le temps ci nawetaan euh, tout d'abord di féliciter tout Jalooré staff technique bi administratif supporters et surtout joueurs parce que les ñoom la effort bi ñuy daj ci terrain bi à l'entraînement ak terrain yi ñoom la c'est-à-dire on s'était fixé un objectif au début parce que nous voulons waxoon qu'on termine premier on voulait terminer premier d'abord ci groupe bi balaa ñuy atteindre un objectif Il dimbal a des nañu ba yegg si nañ ci qualification en plus ça ne dépendait de personne que de nous ci ñun la pas parce que nous ñu une équipe pour qui que ce soit avons gagné 3 points on a 9 points parce que déjà on dépassait en goal average c'était leur match c'était leur match ils ont travaillé très dur semaine derniers passée boo physiquement ils sont prêts Ils ont équipe bu malgré qu'il y a eu quelques couacs parce qu'on leur avait demandé en premier mi-temps les 15 premières minutes laissez-leur le ballon Nous ñu reculer taxaw des de de ils l'ont bien fait en premier mi-temps. Après, les 15 minutes, ils ont bien réagi. L'équipe a avancé. Nous fait qu'ils ont moitié terrain. Ils ont mis un coup de pied arrêté. Nous voilà le premier but. En deuxième mi-temps, je leur ai demandé de mettre l'équipe haut. Mais, avec euh, indiscipline tactique, mon tax l'équipe reculée. Parce que nos milieux de terrain étaient trop bas. Nous avons bi défense, nous reculé. Mais physiquement, nous avons découvert l'équipe belle. Africa aussi, je remercie leur coach parce que c'est lui qui m'a aidé pour mettre le deuxième but. <laughs> parce qu'il m'a laissé des espaces derrière. Il a, il a voulu changer, pousse pour Amdara. Il a mis un 3-5-2. Nous, on a démarré en 4-4-2 Los Angeles. Il a mis un 3-5-2. Nous, on l'a contré en 4-3-3. Son excentré entrevue, c'est lui qui a mis le deuxième but. Mais encore, l'objectif était de terminer premier. Hein? Ils s'étaient fixé ça. Ils, ont, ils avaient voulu être premiers. Comme l'Union regroupement, avec l'Union Ligue maintenant euh, de l'objectif c'est d'être premier mais je crois qu'il y a un objectif en dehors premier vie. Oui. parce que y dem ci phase une phase ça c'est des éliminatoires directs est-ce que da ngay changer de style de jeu parce que aussi un match de championnat n'est pas un match de coupe bon donc faut aussi que vous nga nga ci public Oui, tuuti. nga match pour lui. match mais notre deuxième objectif, c'est d'aller jouer la finale. Et pour jouer la finale, on va, on va, on va travailler encore, le système qu'il faut. Les joueurs sont adaptés. Parce que moi, à l'entraînement, je ne suis pas le gendarme. Je ne joue pas aux gendarmes, je ne joue pas aux militaires. Le système B, je le propose, on en discute, parce que nous sommes sur le terrain. Nous à quoi, on l'amène au, terrain. on va jouer ça. Mais on joue aussi en fonction de l'équipe qu'on a. Parce qu'il paraît qu'on m'a dit qu'on va jouer contre Randoulen. Déjà, ce sera un match très difficile parce que c'est un derby. Pour les deux, c'est le même quartier en fait. Mais on va se préparer davantage. Holding li nga le nous match parce que notre deuxième objectif c'est de jouer la finale Inch'Allah, au merci coach. merci Capi, vous avez gagné un match un match difficile. Eh parce que tout le monde s'attendait à ce que vous mais quand même. vous avez été grand pour pour pour pour gagner ko mais lan moo leen lan lan moo leen jox euh, grandeur boobu ak euh, détermination boobu engagement boobu pour pouvoir gagner un match pareil devant Africa bi nga xam ni mooy finaliste bërki demb rek euh, coupe du maire et ensuite maintenant ku nekk xam na ko aussi sur style de jeu bu bu baax bu bu bu bu rafet bu bu bu mën bu muy def. waaw ah, tout d'abord maa ngi nuyu téléspectateur kii prestige bi yëpp. xam naa ne bu instant bi nii man moom je parle les mots pour parler quoi parce que match bi dafa ma nekkoon match boo xamante ni je le tenais à cœur quoi parce que suñ coach bi du dara quoi mais il a le mérite quoi parce qu'il fait tout pour équipe bi lépp xam nga équipe bi am résultat bu baax travail ñu def nag fan yi semaine bi passée xam naa loolu moom moo moo feeñ ci terrain bi parce que ñun tamit quoi qu'on puisse dire waxuma ko pour vanter pour wax leneen quoi parce que on a une équipe boo xamante équipe boo xamante c'est extraordinaire parce que nawetaan moom parce que moi je joue dans les championnats football naa Ligue 2 football Ligue 1 équipe bi ni du équipe bo xamanteni équipe bu ay zone wala kii nii quoi mën nañoo dem fu sori affaire non quoi mais maa ngi féliciter encore suñu joueurs yi di leen encourager bu baax pour ñu redoubler d'effort parce que tamit on a une forte délégation wala mobilisation suñu derrière suñu parce que bo gisee li ni xam nga da lay jox benen benen benen benen ki quoi franchement. mais par rapport ak ni nga ko waxee donc euh, yow objectif bi sax day dépasser finalement euh, zonal bi. day da ngay xalaat ay régional wala yu non non franchement parler pour wax la rek du zonal moom moo tax ñuy quoi parce que man moy luma la rek on a une équipe bo xamanteni xama warna nga zonal sax pourtant pourquoi pas aller en phase nationale régional départemental parce que équipe bi ni nii franchement du équipe bo xam parce que on a des manquants on a ñoo on a deux joueurs xam ki n'ont pas joué am na yoo man défense centrale la gisoo mu indi si bu ma fubal y a des latéraux yoo xam ne nañ deux matchs yo xam ne ñu ñun lañ fubal parce que li ñuy liggéey la quoi ñaan yàlla affaire bu continuer ma ñu gëna a affaire yi ndam léegi lépp ah, mais léegi lan ngay tagato nak léegi euh, comme vous êtes qualifié maintenant au deuxième tour mais nag deuxième tour yi aussi yombewul non de parce que dites-vous bien que euh, c'est des matchs à résultat immédiat tax xam match à résultat immédiat du nek mën na la ci mën na ci arrivé en général sax souvent les premiers sax souvent sont éliminés par les quatrièmes donc c'est que veut dire que match à résultat immédiat immédiat benen benen benen beneen compétition la mais yeen lolu. mbaa yéen a ngi anticiper ci affaire boobu di ko xool di ko préparer. waaw mais de toute façon ñun on a coach coach boo xamante ni dinañu préparer si lépp loo xamante ni xamante nii nii soit da nga dem si yoon xam naa ni gën a liggéey bu ñu tekkee entraînement moom dinañ jox consigne xamante ni ñun dinañ ko di wax joueurs yi tamit xam affaire bi jëmul fii quoi bu ñu yëkkati suñu mbagg kii nii nañ dem liggéeyaat comme ni ñu ko doon defee bu ñëwee si terrain léegi lan ngay tàggatoo nag. waaw di remercier kii bi bi yëpp di la féliciter parce que yow tamit moo xam nga yaa ngi def boulot bu neex quoi di la ñaanal bu baax yàlla baax la ba si kanam affaire merci beaucoup. ok merci.